Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais connu ça. Avec Wad, bi mu nommé bi Farba Senghor. de non attends attends avant Souleymane non oh, d'accord du temps non Souleymane c'est avec Makisal. mais avec wad avec wad bi nga xamné ci nommé nañ Farba Senghor ministre de l'agriculture. Hmm. ministre avant donc Sénégalais, dañu choqué parce il n'est pas compétent parce que dañu n'est pas compétent. il douter même de ses diplômes il douter même de de son niveau d'études. Hmm. la manière façon bi nga xam séni se ne ni moom la Farba doon làkkee tubaab sax les sénégalais rié ndax gëmuñu woon ni ki mën nañ ko nommer ministre Farba Senghor def na fi presque 7 ans ak maître Wade ñu jugee ci loolu mu indi Youssou Ndour ministre euh de voilà de la culture tourisme la mais tourisme non après mais nit ñi dañuy jomme dañu jaxlé parce que dañu né li mënul nekk donc ñaari poste yoy mom mom a les sénégalais à un point tel que mënuñu ko won muñ Souleymane Jules Diop bi Macky Sall aussi parce que États-Unis de oh, le régime de Wade mhm. plus particulièrement Karim mhm. de attaquer attaqué mhm. di wax ci mom lu ne Macky bi mu dako États-Unis ñëw indi ko duggal ko et que ko ko won dañ ko ko tout le temps ñi fi Ousmane Sonko à Diop wax Macky Sall naka la mën a ku mel ni Souleymane Jules Diop diko ko ci gouvernement bi Souleymane Jules Diop ci il est mieux que ñi nga xam lañ nommé mieux même que la majeure partie des membres du gouvernement à 80 il a un niveau d'études supérieur à ñu ñu fi gis un bon présence am un bon niveau d'intellectuel de cadre d'homme d'État par rapport à li gis Farba Senghor je préfère Farba comme directeur port PCA faut que mën yob, yóbbu moo gën li fi actuellement Les lu doon bañ démb li indi actuellement moo yes. donc raccourci social bi nga xam ni la les militants de euh, Pastef def mais comment mu choqué wul parce que nous au lieu d'aller chercher des diplômes au lieu d'essayer de tout faire pour intégrer à la fonction publique ou bien même créer des sociétés créer ces ay yëfi Yéfi, non Nous ñëpp lu def devenir des insulteurs publics numéro un même Père Maudignan mais Père Mody est-ce que ne réfléchir quelqu'un boo ne un un enseignant à la retraite nous indi la ci télé ngay toog toute la journée di wax luy ñaaw yoo xam l'ancien président de la République comme aussi les euh, anciens dirigeants et les anciens membres du gouvernement Père Mody lan la fi waxul il était à côté de ba Alenia, papa Alenia bu Pape Alé dóoree mu donc ñuy waxante lu leen neex Père Maudit, il moom lañ jël def ko Le Soleil lan la fay jangale mais tay ji soleil ci bopam dañu waroon xey tay sur soir ne ñoom du parce que c'est un contre-modèle pour le soleil pap Alé nga yóbbu ko RTS non non pas seulement pas seulement étant enseignant waxuma fofu mais après qu'il est parti à la retraite nek ci li nga xamni ne mom modi ben chaîne de la place mais liñ fi doon wax yépp mi ngi fi ñu tok archive fi mi ngi fi parce que lan parce que dafa and ak ñom

Nous nous disons un gouvernement parce que nous wax sax ni juste PCA yawal mom ak euh, non mais maintenant sont des membres du gouvernement. ils font partie maintenant des gens qui dirigent, des gens qui nous disent oui et non. Comment est-ce que ces gens-là vont se tenir devant des, autorités étrangères C'est juste pour ça. ne se limite pas ici. Man, je, ne veux pas juger, mais il y a des gens qui prenons des valeurs moom les sénégalais C'est pas que nous sont contre modèle non parce que rap ils ont tout fait ils ont tout réussi mm. man gawma un mauvais rappeur gawma un mauvais artiste mm. dans leur domaine ils faisaient partie des meilleurs même si d'autres jugent que non Nous, xam nañ bu baax parce que on a pratiqué les nga métier artiste mais ce qui est sûr C'est que nous sommes nommé PCA Qui nga euh, grand théâtre mais quand même pour la mémoire de ki nga xam ne mom modi sun papa Dour Ndiaye Coumba Rose. juste pour rien que pour la mémoire ci kaw nit dox pour dire que il faisait partie des militants qui insultaient pour passer dit mhm. dof il est là mhm. le 4 novembre 2021 daf ma yónnee affiche sauveur 11e édition incha ma répondre comme mu you can always try je suis très patient ma yónnee ko révélation de Tange mu ñëw sagama daf ma wo téléphone sagama mhm. ma ko je suis en jihad dara féré ma Maneko, tu laisses mon nom tranquille dans tes lives et je t'ignore Dis la tu n'es pas en djihad rien du tout arrête de mentir tu ne peux pas tromper Dieu fais ce que tu veux et c'est tout ce que tu peux comme je te l'ai dit je suis très patient moi tu n'es pas le porte-parole de Passef donc sors mon nom de ta bouche dans tes lives Monema, vas-y défoule-toi Maneko la patience est une arme dont je m'en sers toujours dans mes combats wait and see Monaco ko ko wax mu ne vas-y alors ma ko à ah bon entendeur salut j'habite Sacré-Cœur 3 villa 88 92 vers chez Omar Pen mon téléphone est ma voiture Ford Edge je circule partout dans le Sénégal à n'importe quelle heure et les week-ends je suis au Jigo Almadi demande à la serveuse Binta elle te dira où se trouve ton xam nga ki ragal mhm. déborder ma bloqué le 20 décembre 2021 ma changé téléphone mu ñëw le 25 avril ma dugal sama statut mu ne ma da ngay duul de <laughs> tontuwuma ko mu ñëwaat ne ma yow doxalal rek donc ça dit ce sont ces gens là qu'on a promis aujourd'hui mhm. ci lan suñu xaalis suñu taxe suñu impôt lañ leen di fay pour te dire qu'ils ont dit que la vie n'est pas chère je te fais un exemple boitu café bi xam nga ñaata lay jar léegi mhm. huit mille neuf cent soixante régie dugal leen ma reçu baa ngi mhm.

est-ce qu'on a le droit de parler ou n'a pas le droit de parler mais est-ce qu'il le mérite mais mais tay sénégal 10 000 francs ga jënd ci botu café mu dess 1300 tay ben père de famille bu yorone 10000 francs jënd ci botu café yor njabot bo xamanteni lan lay dëkke mais 1300 c'est taxe il faut qu'on parle de ça je comprends mais tay ji les ousmane ko père doudou ngom euh, les baldés... les anciens ñom nous nous, ñëpp tay ji sincèrement les anciens hommes politiques les anciens hommes d'État yi fi waratuñu nelaw parce que waruñu abandonner ce pays et que bu noppé fiñ pour man abandonner le Sénégal le Sénégal jox leen et aujourd'hui il ne peut pas il ne doit pas la place à des chroniqueurs, des journalistes. Porter le combat pour sauver le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal défend. le Sénégal c'est le moment de se regarder ci seeni ay miroir pour voir non le Sénégal ne mérite pas ça aujourd'hui le seul mot chacun de nous doit se dire que le Sénégal mérite mieux que ça le Sénégal ne mérite pas ça parce que ils sont en train de tâtonner ils sont en train de jouer avec li nga de la République et que le jour qu'ils vont taper poteau sous le lay dal ci ñun les donc il faut sauver la République il faut tout faire pour dire à ces autres honorables députés du 12e 13e 14e législature de se tenir debout de dire aux anciens de sortir les hommes politiques, ce n'est pas que Bougane seulement l'a fait, ce n'est pas que euh, euh, euh, Tchernou Bokoum l'a fait. Mais il faut que les anciens, nous devons se mobiliser pour dire que, attention, ce qui nous dit, ce qui nous les nominations, ce qui nous en 12 semaines, 12 semaines, nous élire plus de 100 personnes, nommer plus de 100 personnes, 106, 106 personnes en 12 semaines, 4 mois ci ay nomination yo xamni a à des postes clés où ñi nga fa nommé c'est leur premier poste où est le mérite. à quoi ça sert enquête de moralité ah, enquête de moralité. il faut aussi ñu d'accord ben affaire. non enquête de moralité là on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Ah. on a. donné c'est-à-dire le président de la République d'avoir cest à la prérogative de nommer les postes civils et militaires. donc aujourd'hui moi je xool comment confiance. Hmm nommé mais hmm. que nous bëgg pouvons wala ñu bañ parce que c'est la conscience qui le permet d'accord man en dehors les insultes mais y a un minimum en dehors les insultes yi nga y a un minimum hmm. Ouais. mais d'accord mais en dehors des non y a un minimum sincèrement Monsieur Tiam, il y a un minimum et que ce minimum là le président le président waru ko ce minimum là moom le respect des Sénégalais le respect des institutions mais le respect aussi de nommer des personnes ils sont les plus méritants à des postes clés. d'accord c'est pour défendre l'institution. d'accord Kader on l'accepte pas. en dehors des insultes. en dehors des insultes tu acceptes le mérite.